M. Badi Ismaël, un peu comme il est devenu entrepreneur par hasard, moi je suis devenu politicien un peu par hasard. Je suis un entrepreneur en politique, j'allais dire. Un entrepreneur pour la transformation sociale de nos sociétés. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'occupent de ce qui ne marche pas dans notre société, y compris de ce que vous avez dénoncé, c'est la corruption, est malheureusement généralisé et qui entrave le développement de nos nations. C'est un des cancers qui ruine et qui ruine beaucoup de pays africains. Qui fait en sorte que, quels que soient les efforts que vous faites pour entreprendre, vous n'allez pas Je voudrais d'abord, puisque nous sommes en journée d'intégration, vous dire que nous revoyons combien peut 32 ans en arrière si ça c'est trop vieux, je, vais raccourcis un peu. <laughs> J'étais là au début des années 90. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas beaucoup d'intégration, mais je dois féliciter l'AISAT pour les réalisations importantes. Je vois le siège, la loi contre la discrimination, la réduction encore que de notre époque. Euh, la carte de ce jour, c'était 2 dinars 500. ce n'est pas aussi compliqué. Parce qu'on avait ce qu'on a perdu, chemin faisant, on avait des panafricanistes. Je ne dis pas que ceux d'ici actuellement ne sont pas des panafricanistes, mais assurément Kokiba était un panafricaniste. Et on avait des panafricanistes qui dirigeaient nos États et qui favorisaient beaucoup l'intégration entre les nations. Donc, vous êtes en train de vivre parmi les moments les plus importants de votre vie. Le peut-être, la période la plus féconde, c'est celle de l'étudiant. Parce que quand vous êtes élève, vous avez toutes les options ouvertes. Mais quand vous êtes étudiant, vous avez maintenant un, chemin beaucoup plus étroit. Et malheureusement, quand vous êtes à l'étranger, vous avez moins de contact possible avec les autres Sénégalais un ancien de Gaston Berger ou de l'Université de Dakar, il a, quand il rentre chez lui ou quand il travaille au Sénégal, il a un réseau très dense de connaissances. Vous, vous êtes, malheureusement, un homme beaucoup plus restreint. C'est pourquoi la première chose, la plus essentielle, celle que je revois quand je suis ici, c'est que c'est ici que j'ai gagné les frères et sœurs qui me comptent le plus. Parce qu'on a vécu des moments ensemble d'hiver, de, vacances, quand on se retrouve seul dans les foyers ou dans les appartements, quand il y a des événements malheureux, on est ensemble. Donc, considérez que vous êtes avec vos frères et sœurs. C'est avec vous pour le reste de la vie, vous aurez des souvenirs inoubliables, essentiels. Et ça, ça compte beaucoup. La première. La deuxième chose, ce que j'ai noté, c'est que vous avez devant vous, à ce pays, un exemple différent. Un pays différent, pas si éloigné du Sénégal, est très différent du Sénégal. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que nous aurions pu faire que nous ne faisons pas Vous me pardonnerez, madame, si vous êtes tunisienne, les Tunisiens ne sont pas satisfaits à ce moment de la situation. Je le constate en suivant les journaux, la révolution, l'inflation, les difficultés économiques, le chômage. Mais que dirions-nous, nous, Sénégalais en regardant, nous voyons tout ce que nous avons raté qui reste à notre portée. Et vous, ici, vous avez plus de devoirs que les Sénégalais qui sont au Sénégal. Parce que vous voyez un chemin possible qui est à portée de main, mais que nous n'avons pas emprunté, que nous n'avons toujours pas emprunté. Nous avons ñuy wax te muy turam mel ni tibis muy gën leen leen xamee mënul am fii ci réew mi parce que duñ ko nangu am déet duñ ko nangu dafa am lu nekk seen pas seen deret parce que sénégalais bu nekk am na lu muy bañ sénégalais bu am na lu muy bañ bañ na yabeel bañ na ku ko Mais pourquoi en tant que bu ñu nekkee groupe nekk xeet nekk réew ñuy nangu loo xam ne ñoom ñii duñ ko nangu waa gànnaar sax duñ ko nangu loolu war nous ko faire. xam lu mu doon ak naka la ñu fexee parce qu'on a beau être des entrepreneurs isolés c'est malheureusement je vais terminer donc on a beau vouloir entreprendre de manière isolée dans nos pays si vous faites face à laxisme, l'absence de lieu, mais surtout la corruption, comment vous pouvez progresser Si vous ne pouvez gagner un marché qu'en donnant des rétributions. Et si vous ne le faites pas, vous êtes considéré comme un, enfant. Et même si vous y participez, c'est des coûts qui rendent la compétition, le produit final, plus difficile. Et il finit puisque elle notre capacité, notre conviction dans notre nation, et elle donne aux autres à dire que chacun doit se débrouiller où il peut, ça finit par ronger nos États, ronger la foi que chacun de nous doit avoir dans son État. Pour terminer, puisqu'on parle d'intégration africaine, je voudrais dire que ce que j'ai dit n'est pas loin, n'est pas très éloigné de ce que je vais dire. Il y a eu un événement dramatique au Niger. 60 et quelques mois. Puisque nous sommes ensemble ici en Africains, nous devons avoir une pensée. Et surtout, dire, réfléchir, puisque c'est le rôle des intellectuels que vous êtes les fédérations africaines ont joué un rôle important dans la colonisation et dans l'éveil des consciences en Afrique, surtout la Fédération des étudiants africains noirs en France, à e Et dire que collectivement, nous devons réfléchir quelle est la trajectoire qu'encontrent les pays africains. Pourquoi nous sommes dans une trajectoire aussi sinueuse pour que nos États soient aujourd'hui menacés par Boko Haram, Al-Qaïda, dans, dans le Maghreb islamique ou dans l'Afrique noire, ou je ne sais quoi. Et que nous nous répudions parce que c'est pas loin de la corruption, c'est pas loin de l'absence de rigueur. Parce que la corruption finit par faire que le soldat lui-même ne croit plus dans la Pourquoi il va se tuer, bon Dieu, si son enfant ne peut même pas avoir accès à une école Ou s'il meurt, que la société n'est pas capable de donner, d'assurer à son enfant une éducation je voulais terminer en disant, ces questions-là également, ne les oubliez pas, elles font partie de votre formation humaine. Parce que tout ou tard, tout ou tard, qu'on réussisse bien, qu'on fasse des grands hôtels en, Mauritanie, qu'on soit un grand entrepreneur et qu'on fasse des grands hôtels en, en, Mali, au Mali, en ou qu'on soit un très grand entrepreneur, je vais nom, au Niger tout ou on pourra être rattrapé par d'autres choses sont justement ces mots qui comprennent nos nations. Je vous souhaite en tout cas un excellent séjour en Tunisie. Vous perpétuez une bonne tradition et je suis très heureux et très ému d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup.